l'actu sur King FM. Mesdames, et Messieurs, bonjour. Voici les brèves que nous démarrons avec Suez qui officialise son entrée au Sénégal. Le ministre de l'eau et de l'assainissement va signer le contrat avec le groupe français chargé de la gestion et de l'exploitation de l'eau en zone urbaine et périurbaine. La cérémonie est prévue cet après-midi. L'Assemblée nationale euh, en séance plénière ce lundi. Les parlementaires se penchent sur le projet de loi pour la criminalisation du viol et de la pédophilie. Les coupables risquent de lourdes peines pouvant aller à la réclusion criminelle à perpétuité. Les députés vont également examiner le projet de loi relatif à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Après Khalifa Ababakar Sall, le collectif Nyon Lank Nyon Bagne rencontre le leader de PASTEF, les Patriotes. La rencontre avec Ousmane Sonko est prévue à 11 jours au siège du euh, parti. L'Union des enseignants et enseignantes du Sénégal promet de déposer un préavis de grève dès la première semaine du mois de janvier 2020. Un congrès ordinaire hier, l'UDEN a dénoncé le non-respect des accords pris par l'État avec le G7. Le syndicat a également fustigé le manque de considération du métier enseignant par le gouvernement. Sur l'international, on attend toujours les résultats du second tour des élections présidentielles en Guinée-Bissau. Ils ont voté hier dans le calme, mais le candidat Sissoko Mbalo accuse déjà la Commission nationale électorale d'œuvrer pour sa défaite. Ainsi, il met en garde toute tentative de manipulation des résultats pour la musique du jour avec les agressions faites aux femmes allant jusqu'à criminaliser le viol et la pédophilie. Nous vous proposons Marpen et le Super Diamono dans son titre intitulé Agresseur. Écoutons. la version Olof de ces brèves c'est dans un instant yéen a ngi déglu King FM ci 99.4. xibaar yi tënk lay doon dañ koy ak Suez mi nga xam si kon ak duggam dëgg-dëgg ci Sénégal tey ji lan koy gën a fesal jëwriñ jore wàllum ndox mi nag di euh, Serigne Mbaye Thiam tey ji kon lay daal di xaatim le contrat moo dox diggante ma groupe français boobee euh, jëm ci luy saytu wàllum ndox mi fii nii ci réewum Sénégal rawatina kon gox yeeg gox goxaat yi nekk ca kaw ga euh, cérémonie boobee nag tey ji ci ngoon lay daal di am fii nii ci diwaanu waa Ndakaaru. assemblée nationale di pencum ndawu réew ma tey la ñuy sëgg kon ci projet de loi bi nga xam si euh, day daal di euh, criminaliser lu jëm ci wàllum viol ak pédophilie euh, ñi nga xam si nag dañoo def mbir mu ni mel ay daan yu metti kon moo leen nar a xaar dem sax ba ñu tëj leen seen giiru dindu boo moytuwul député yi nag dinañ daal di daal di yaraale tamit projet de loi bu jëm kon ci wàllum produit plastique yi nga xam si ñi ngi ko fi wax boobaak léegi gannaaw Khalifa Babacar Sall collectif ñoo lànk ñoo bañ tey ji la ñuy dajeek euh, njiitul Pastef les Patriotes ñoom waa ñoo lànk ñoo bañ nag ñoom ak usmaan Sonko seen ndaje moomee kon tey ci suba lay doon bu 11h jotee ca siège bi nga xam si euh, Ousmane Sonko moo ko daal di euh, jiitee union des enseignants et enseignantes du Sénégal di kon ak kuréelu ki jàngalekat ñoom ñi ngi arto dugal ab préavis de grève ci euh, ayu bés bu njëkk ci weeru janvier bi nu dëgmal ñoom ci seen congrès ordinaire bi doon amal ni ki dem ci la waa UDEN xam ne ni kon euh, bépp dogal boo xam si nguur gi xaatimoon na ko ak waa G7 dara lañ ca daal di jëfewut ba noppi tamit ñuy ñaawlu kon ni fi gouvernement bi fi nekk daal di ñàkk farataale métier jàngalekat xibaar yi ci dendu Afrique Guinée Bissau démb lañ doon amal seen élection ñaareelu euh, tour ba waaye lépp daal dinay am ci ak dal waaye nag candidat bi la di Sissoko Embalo moom nag dafa daal di njortu ni commission national électorale ba dañoo daal di jëm ak njublang jëmale ko ci moom ngir mu ñàkk yooyu la élection te moom nee na moo gën a baax taxawaay ngir gagné ko ba tax kon muy daal di artu jëmale ko ci euh, ay manipulation ci yooyu les résultats musique la ñu jeexalee tënku xibaari ak euh, li ñuy wax ne agression la ñuy def jëmele ko ci jigéen ñi euh, tax sax ba ñuy nar criminaliser viol ak pédophilie tay jii ci assemblée nationale lolé mo sabab ñu andi leen woyu Omar Pène ak super jamono bi mu duppee agresseur ñu teewlu. jàng métier war si am dignité war a mën a yori njaboot gi bokk si réew mi ak li kay doxal a nekk sunu manoore dafa bëgg xaalis te ñemewul coono li ko yomb moo di Merci beaucoup salut, nous te retrouvons à 8h30 pour l'essentiel de l'actualité Madame tënkum Hibari. mesdames et messieurs c'était des informations sur King FM. Rejoignez-nous sur notre Facebook, Twitter